ban sentiment ngeen am ci euh, sen candidat bi nga xamné recalé nañ ko ci deuxième tour bi nga euh, évidemment conseil constitutionnel On ko done vérifier niki tay euh jërëjëf Mohamed di euh, masawu le frère gay, et ci ko féliciter également. pour le combat que vous avez porté pour la démocratie sénégalaise. sentiment de fierté. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute la famille 2024 avec à sa tête la présidente Amine Touré, qui s'est investi personnellement, qui a travaillé à nos côtés H24 tous les jours, avec des jeunes mobilisés, des cadres mobilisés, des femmes mobilisées, et qui y croyaient. Et ni euh, amoul raison bu nous pour plusieurs raisons la première moi, Touré c'est quand même pratiquement pas un faut le, nous le pratiqué au Sénégal depuis le début jusqu'à maintenant donc amoul nous retirer mais deuxièmement nous avons une mobilisation exceptionnelle et troisièmement, nous, travaillons sur le parrainage bien avant la date normale. Euh, ça a démarré le 11 septembre, officiellement. Nous, on a travaillé sur le parrainage trois mois avant la date, pour nous préparer en conséquence et anticiper vous yu bëri mhm. Moi, je vais un exemple au mois de euh, septembre après le coup du tout, avant septembre ça août et juillet. Mhm. déjà au mois de juillet on avait regroupé les cadres les femmes pour leur dire pendant le groupe, mais nous ko préparer préparer les et c'était quoi le principe pour nous c'est chaque militant dans son environnement immédiat entre son père sa mère ton épouse ta femme il est dégagé. On ne peut pas dire qu'il parce que ça va que beaucoup là ne connaît au moins 20. quand on a fait le disque de nos groupes j'ai ça dans mon téléphone on avait après 20 groupes on dans chaque groupe il y avait au moins 100 personnes ça fait déjà 2000 personnes il n'y a pas un seul militant beaucoup qui n'a pas amené au moins 20 Dans dans son environnement immédiat. Entre ton père, ta mère, ton neveu, n'y a pas de cœur. Où tu veux qu'on On ne peut pas faire un travail aussi méthodique. Donc, rien que dans le père parrainage nous, on avait sécurisé au moins un stock de 30 000. Donc, sentiment bi à am c'est vrai nous sommes des humains après un tel travail une telle mobilisation pour arriver à ces résultats là ça fait mal mais ça fait mal. mais tey yan motif lañ leen recalé. amul bi ngeen demee pour deuxième tour bi. Euh, man li ma njëkk a jaaxal mooy li kii jox ngay ngay wax léegi daal day bëggee. je le confirme parce que ma mon mon mon mandataire m'a dit que on nous a dañu dañu dañu invalidé avec 38 000 parrain donc on n'a pas atteint le minimum 44 000. mais paradoxalement l'informaticien me dit quand on a mis la quand on a mis la clé. mu mu téléchargé. du dépasse 28 pour cent. c'est que tu moy téléchargé du dépasser 28 pour cent bu 28 des travaux. or 28 dans une clé où il y a à peu près 50 000 moi j'ai 38 000 cest dire est-ce qu'ils sont allés chercher les 38 000 C'est-à-dire, il y a trop de paradoxes. Objectivement, ce n'est qu'une nuit qu'on a fait, on ne comprend pas. Parce que 28% de 50 000, euh, on 30 000. Mais 28% de validation ou 28% qui clé Nous, Nous on est passé au premier tour avec 25 000 validés. Mhm. on nous a demandé un stock complémentaire de 18 900. Mhm. on a amené 20 000. on a amené 19 800. Mhm. donc 19 800 que pour les 25 000 ça fait quand même 40 40 40 combien 49 000 ou 47 000. mais ça, on a a pour nous pour nous dis 40 000 il faut que les les à 100%. Si la clé se limite à 28%, ça veut dire que tu n'as pas vu les, les, les résultats de la clé. yi clé voilà Donc, si machine donc après nous ñun non malgré tout on nga 38 000 mais il faut que nous. La clé affiche 28%, moi je déclare 38, 38 000. C'est ça des paradoxes qui font que, objectivement, est finit. Donc, sauf une qui est au cas par cas, les gens apprennent moi, en 12 ans de règne, Macky Sall n'a rien apporté à la démocratie. Mhm. Au contraire, elle l'a fait régresser. Et c'est dommage. Mhm. Depuis 2020, à nos jours, le régime en place, Macky Sall à sa tête, faire superposer un acte antidémocratique, mhm. de faire superposer un acte de poignard contre la démocratie et de faire snobber le peuple sénégalais. oui par rapport au fichier votre candidat da le wax fichier bi ñu 2017. c'est avéré oui ou non. en fait on suppose on n'a pas de certitude le problème mooy. Mhm. kenn xamul ban fichier on suppose que c'est 2017 parce que quand on te dit que a fait le cumul des personnes mhm. Il nga a ni fichier on est presque à 300 000 personnes ne sont pas dans le fichier. Mhm. or nous nous disons, moi, Moi, ci inscription yu à yi Nous, nous ñu la révision des listes électorales le stock des nouveaux inscrits mhm. était sensiblement égal à 300 000 mhm. donc dafay un a long ak niveau de ñu wax ni fichier hein. tu réfléchis tu dis ça veut dire que l'ensemble des primo-votants qui sont inscrits ne sont pas inscrits dans le nouveau fichier alors, lui est qui moi pouvoir bi tous les jeunes qui sont inscrits vont voter contre lui même même vous avez cadre carte d'identité voyons ma un fichier pour pour la mise à jour c'est des suppositions que nous faisons donc théoriquement le fichier bi à partir de 2022 actualisé il a ci le nombre de en votant, ça fait 300 000 le fichier boobu d'autant que la Sénat a dit par un communiqué officiel que nous Sénat on n'a pas un fichier mis à jour donc loolu du ay problème on a recalé on a recalé on a recalé. mais kon y est ce que. on est on est on est en base du fichier bi fi nekkoon te réactualisé ou ko moom ngeen liggéeyee. li nga fi doon nii. kenn mënu la wax li am ci seen machine boobu. kenn mënul la ko wax. moo leen ump. moo ump ñëpp. li mu ump ñëpp nag moo tax c'est pourquoi je parle avec avec le mot recalé on a recalé personne on doit spolier. Hmm. c'est du vol organisé et planifié. Hmm. et j'ai l'impression que candidat yu ñu génne ñoom dañu paramétrer machine bi jox ko jox ko le nom des candidats qui veulent sortir. Mhm. et la machine man finalement gëmatuma sax ni dañu paramétrer ci ay chiffres wala ci ay fichiers. Mhm. ils ont donné à la machine le nom des candidats qui doivent sortir. Et facilement nous recalé voilà donc keneen ku ci ci liste voilà tu passes à la trappe. mais à quoi servent les fiches qu'on vous a remis à la DGIE Il y a ne moom qui doon remplir seen parrainage su fekkee ne clé bi dafa am défaillance. yokki bagage yokki bagage. parrainage physique. amul amul amul dans le fond amul c'est des fiches qui ne regardent même pas. et les numéros qu'on vous avait remis. amul c'est des ça c'est des numéros pour pour liquider Sonko. au départ c'est tout et loolu c'est dommage que de me poser problème en termes de parce que je me félicite d'avoir entendu Bougane plusieurs fois dire que une obsession pour monde n'est pas le pouvoir. Mhm. il se bat pour et je confirme que la la présidente Aminata Touré est dans le même cas si Macky Sall le pense si Macky Sall le pense et là il se trompe lamentablement. Pour mhm. Macky Sall faut ni génne ay ay nit de valeur ci élection. Mhm. moo de di génne ci champ politique il se trompe c'est que Hamoul, d'un est militant. très bien Macky Sall hamoul est quelqu'un qui milite pour une cause ou pour un projet. très bien alors Senghane la société civile qu'est-ce que la société civile pense de tout ça euh, déjà. Euh, on a lancé le processus électoral les li les na fichier ay les euh, noté ay logiciel recalé te comprendre alors maintenant euh, compte tenu de tout ça quelle est la position de la société civile Si on a def ci processus bi ñu japonais, c'est déjà biaisé c'est de ma position hum, hum, rek rek concerté wuñ pour ma par hum, contre. mais en tant qu'observateur, voilà depuis le début ngi suivre. ngi fi depuis fi 2018 ak alors ñun civile bu ñuy ci élection dañuy Léral et préciser toujours que élection c'est avant c'est pendant et c'est après c'est tout un processus boo xam day am fu muy déparé am fu muy yem li ñu njëkkoon constaté ci processus électoral Sénégal bi te relevé ko plusieurs fois mooy que acteurs yi déggoowuñ ci loolu lu amoon na am am solo la parce que bu ngeen dem ci compétition dafa baax regl yi yéen ñëpp ngeen xam ko. mu am consensus. mu am consensus mais aussi ku ci am loo bëgg a leerlu lu leerul ñu mën la ko leeral bu subaa buñ la rëkkalee wala ñu génnee la. nga xam ne système bi nii la waroon a demee moo tax ma génn nga mën a comprendre ah malheureusement loolu amul système bi di dox ñu di ko doxal ba yegg si ci ne commencé nañ liggéey parrainage man li ma njëkk a jàpp mooy. Hmm. conseil constitutionnel dañ koy defloo liggéey bu dul liggéeyam. Hmm. parce que c' est pas à un juge constitutionnel. Hmm. mu dem di régler affaire parrainage loolu c' est un travail administratif. parce que quand on juge ya fa ne sages hein. di sax magistrat yi ci parce que magistrat ñu ngi ci équipe bi ah. am ci xam aussi ñu ñu ñu ci société civile exactement techniquement li expert yoyu di wax moy informaticien Ils yoyu ñom dinañ am élément ko et solo parce que magistrat bu ñu lay former lan lañ lay jàngal dañ lay wax ci sa cadre liggéey mën nga dem uti expert boo bëgg mais expert bi lu mu la mënti wax yow boo paree sa intime conviction moom ngay xool pour mën a def sa liggéey mën a àtte. Mm-hmm. mais ni ma gisee ñoom li ñuy wax. ak ma xamee aussi système bi ni mu doxee ma xam aussi liñ jàng parce que ñoom liñ jàng laa jàng xam naa ne dana jafe trop ñoom ñu mën a avancer ci yenn yi techniquement kon li waroon mooy loolu ñu jox ko une commission technique ñoom ñu dem atte ji ñu xaar bi atte jot ñu indil leen des éléments yoo xam ne dinañ ci mën a prononcer wu wax clairement lan moo tax ñu atte alors euh, mu xawa nag indi tam beneen jafe-jafe parce que acteurs yi itam non seulement déggoowuñu woon mais à un moment dañ meloon ni ñu accepter procès